Il vient d'être 18h à Niamey. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition en français avec euh, Rahila Toussoumana les titres de ce soir, euh, une, Nigérienne, euh, Mariam a été honorée aux African Writing Awards qui se sont déroulés à Paris du 19 au 23 octobre passé pour son projet de transformation de la jacinthe d'eau. Plus de détails sur ce projet dans cette édition. Après leur marche pacifique euh, ce matin, les étudiants de l'université d'Andiko Clodo de Maradi ont remis un mémorandum de sortie de crise au gouverneur de la région. Vous entendrez le secrétaire général de l'UNUN dans un instant. Suite euh, à l'attentat qui a visé samedi dans la région d'Agadez, l'ancien leader euh, de l'ex-rébellion MNJ Amoumoun Kalakoua, le ministre euh, Rissa Agboula s'est entretenu hier après-midi avec le comité de paix à Agadez. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre ce soir un dossier sur la cérémonie d'intronisation du nouveau notable de la cour du sultan de Dosso, ça sera en partie magazine. Messieurs, dames, bonsoir. Nous l'annoncions dans notre édition d'information d'hier. Une Nigérienne a été honorée lors des African Reaching Awards organisés par le Land of Africa Business qui se sont déroulés du 29 au 23 octobre 2016 à Paris. Une rencontre qui a fait découvrir la nouvelle classe des jeunes entrepreneurs issus de tous les milieux prêts à contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du continent. Maria Mamman, cette Nigérienne fondatrice de Jassi Green, a été le coup de cœur du jury pour la pertinence de son projet. Sur quoi porte exactement le projet Jassi Green Maria Mamman, fondatrice, explique au micro de Nafis Adam Sirfo. Mon projet touche plus précisément la jacinthe d'eau qui est un fléau assez grand, je dirais, si on peut se permettre de dire qu'on ne peut pas éradiquer parce que c'est une plante envahissante et nous, Jassigri, nous proposons à ce que de transformer ce fléau en opportunité. En transformant cette jacinthe d'eau en engrais organique, ce qui est encore révolutionnaire, le processus de production que nous avons créé nous permet dans un second temps de produire du biogaz qui sera valorisé en énergie électrique. Donc Jassy Green pourra résoudre plus d'un problème à la fois, celui de l'insuffisance énergétique et celui de l'agriculture écologique. Ce projet n'est pas encore opérationnel, mais nous avons fait un planning en 2017. Nous serons en phase de prototype et d'ici fin 2017, euh, selon notre programme, euh, ça serait opérationnel et tout au long, nous sommes en train de faire une levée de fonds pour pouvoir avoir beaucoup de financement nous permettant vraiment que ce projet voit le jour. Les étudiants de l'université d'Andiko d'Ankulodo de Maradi ont organisé ce matin une marche pacifique qui les a conduits au gouvernorat de Maradi. Le secrétaire général de l'UNUN, Sani Garba a remis en main propre un mémorandum de sortie de crise au gouverneur de la région de Maradi. Reportage signé Mohamed Maman. C'est une centaine d'étudiants qui a battu le pavé ce matin sur le trajet qui va de l'université au gouvernorat. Sur les banderoles, on pouvait lire Sauver l'avenir des étudiants ou encore à bas la grève des enseignants-chercheurs. L'objectif de cette manifestation, demander au gouverneur de faire la médiation entre les enseignants-chercheurs et l'État afin que les activités académiques reprennent le plus tôt possible. Ils en ont profité pour exposer leur propre doléances. Le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Maradi, Sani Garba Haruna. Le comité exécutif de l'UNUM vous prie de rappeler au ministre des Enseignements supérieurs de faire parvenir en urgence la liste des personnalités externes en vue de la tenue effective du Conseil de l'université en cours de préparation. Le comité exécutif de l'UNUM formule également la proposition de créer des antennes locales de l'ANAB dans toutes les régions pour que le traitement de certaines questions ne fasse plus l'objet de tant d'irrégularités, en urgence et à l'immédiat, l'aide sociale ainsi que la bourse de vacances. Pour sa part, le gouverneur Zakari Oumarou a pris l'engagement de jouer pleinement son rôle de médiateur pour une résolution heureuse des problèmes qui empêchent la reprise des cours. Il les a répondu en ces termes. En ce qui concerne la reprise des cours, nous allons demander tout à l'heure la compréhension des enseignants-chercheurs. Nous allons leur dire ce que nous avons entrepris comme démarche. Nous allons leur dire que le règlement de leurs problèmes est une question d'heure, pas de jour. En ce qui concerne le second volet, c'est-à-dire euh, l'aide sociale, c'est une question qui est en train d'être traitée. Je vous assure que toutes ces revendications sont déjà connues. Le syndicat national des enseignants-chercheurs, section de Maradi, a accepté de rencontrer le gouverneur ce matin pour débattre de la question. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou. Les agents de la China National Petroleum Corporation, CNPC, ont organisé un sitting ce matin devant l'hôtel Solix de Niamey, siège de l'entreprise chinoise. Ce mouvement d'humeur du personnel de la CNPC fait suite à la mise à pied de leurs camarades délégués. Idi Salifou, délégué titulaire, explique les motifs de ce sitting au micro de Moutari Mahamadou. On a organisé ce sitting pour monter notre mécontentement à la mise à pied de nos camarades qui sont déjà donc hors du service. Ils sont au nombre de quatre. Moi, je suis le cinquième. Sûrement, donc, ça peut partir de leur intrigue. Donc, moi, on m'a pas donné la mise à pied pour pouvoir désunir, donc, le mouvement des délégués. Cette mise à pied dit à injustice, aux intimidations, aux harcèlements, donc, vis-à-vis, -vis, donc, de la loi. Parce que nous, nous voulons juste à euh, l'application des lois que les travailleurs soient mis dans leurs droits, parce qu'on est dans un état de droit. Pour le moment, nous sommes là pour juste euh, manifester notre mécontentement, notre ras-le-bol, pour dénoncer ces intimidations, ces harcèlements qui continuent depuis le dépôt de la plateforme revendicative le 1er septembre 2016. Amoumoun Kalakwa, ancien leader de l'ex-rébellion du mouvement nigérien pour la justice MNJ, et trois autres ex-combattants ont été blessés par balles par des individus armés ce samedi 29 octobre 2016 dans la ville d'Agadez. Face à cette situation, le président de la République a dépêché le ministre Rissa Agboula pour tenir une réunion d'urgence hier après-midi avec le comité de paix. Selon le ministre Rissa Agboula, le le gouvernement prendra les dispositions qui s'imposent pour amener la sérénité dans la région. Propos recueillis par Moussa Maman. C'est vrai qu'il y a des actes crapulés qui sont faits dans votre ville. Le dernier en date, c'est celui d'hier. Donc maintenant, nous avons donc transmis le message du gouvernement pour dire que ces actes-là, en tout cas, vont cesser. Parce que le gouvernement va prendre toutes les responsabilités pour créer les conditions d'une quiétude dans la ville d'Agadez. Donc le mouvement de personnes non identifiées ou le mouvement de véhicules non identifiés, non immatriculés et tout ça là, toutes ces questions vont trouver leur solution, en tout cas dans les, les mesures que prendront les plus hautes autorités pour que surveille, qu'on sache qui sort à Agadez et qui rentre à Agadez. La circulation des armes, la circulation des marchandises prohibées, tout cela, toutes ces questions-là, en tout cas, nous préoccupent au plus haut niveau et, en tout cas, des dispositions seront prises pour que prochainement, très prochainement, en tout cas, la population d'Agadez retrouve, en tout cas, sa, sa euh, suite à la poursuite qui a eu juste après l'incident d'hier, un certain nombre de personnes ont été euh, appréhendées. Ils sont donc euh, au niveau de la police. Nous saurons, en tout cas, exactement pouvoir identifier, en tout les auteurs de l'acte d'hier. Les véhicules même qui a servi à faire l'acte est pris la situation qui prévaut au sein de la section MPR Jean-Gouria de Tilaberi avec le retrait de la confiance du bureau à son président constitue, pour les observateurs des prémices d'une crise au sommet de cette formation politique, une crise d'adolescence selon le politologue et professeur Issouf Yahya. Le professeur Issouf Yahya a été joint au téléphone par Moussa Hassan il y avait beaucoup d'ego en fait qui ont prévalu à la naissance de cette formation politique. Maintenant qu'il y ait des divergences au sein du parti, en principe c'est normal. Sauf que là, je pense qu'il y a suffisamment de divergences à tel point que certains classiques ont été mis sur la touche. Pour moi, la crise est née de la nomination de ces deux personnalités que le parti n'a pas voulu reconduire au gouvernement, de leur nomination à la présidence de la République avec quasiment les mêmes avantages. Donc, la crise, elle va être entretenue au niveau de la majorité et je me dis le MPR Jemhouria ne paie finalement que peut-être les frais d'une certaine trahison, même si le mot est un peu dur. Mais pour ce qui est du pays, je pense qu'il n'y a véritablement pas de quoi fouetter un chat Jamoria n'a pas connu d'enfance. Jamoria est aimé un adolescent et c'est peut-être la crise d'adolescence qui est en train euh, d'être euh, mise sur la place publique. En bref, euh, trois anciens ministres ont été nommés la semaine dernière conseillers avec rang de ministre par